alaikum. Mangi, Mangi jaajëfal déjà artistes pour les belles prestations dont elles nous ont gratifiées. c'est heureux de constater l'autonomisation des femmes ou l'autonomie des femmes sur le plan artistique On euh, un tableau totalement occupé par des femmes fait vraiment du Félicitations à elles di delluwaat di patriote yëpp yéen ñi fi teew yéen ñëw parti à travers la GPS de Dakar di féliciter aussi la GPS nationale et particulièrement pour la circonstance la GPS Dakar pour le de son coordinateur Serigne Mor Je crois que bi mu leen doon dalal au niveau du ngeen doon waajal programme bi je vous avais assuré de ma présence et rare en ces circonstances mon soutien par rapport à la mise à la disposition de du parti à Dakar secrétariat pour ñu mën leen le qu'il faut dans cet événement là ne je crois que symbole symbole parce que le casting que le président a fait récemment dañ ko jël en tant que jeune dugal ko boole ko ay kàngam lañu jébbal leen wala dénk leen programme bi nga xamante ne c'est un programme extrêmement important c'est du parti je répète que xëy na ko leen le déploiement il faut ci programme bi mais il est extrêmement important à nos bu ngeen de dem la l'allocution du président Sonko le 2 janvier 2021 lors du Nameko Tour di opération ndomb bi pourquoi la symbole de Serigne Mor c'est tous les jeunes au sein du parti Nous, les ñu ñaax jël leen responsabiliser de compter pour la bataille ultime à savoir la mobilisation des jeunes la mobilisation des plus importants. la de Dakar sous le parrainage de la JPS nationale a eu le courage et l'audace d'initier ce qu'ils ont appelé le projet 500 000 patriotes ce n'est pas un rêve bien au contraire je sais qu'il faut aller au-delà de c'est le symbole c'est au niveau de Dakar mais vous voyez, la présentation que les responsables du programme World ont fait hier au bureau politique national par rapport au déploiement c'est de 2 millions à 3 millions de personnes entre des cartes non retirées des pièces d'identité sur lesquelles on qu'on ne peut pas voter et des citoyens qui ne sont pas détenteurs d'une carte nationale, Pourtant, c'est cet électorat-là dont nous avons déjà conquis le cœur et que nous, avons, devons transformer tous par notre activité quotidienne, par notre organisation, par des programmes comme ça, le est ou à le répliquer en 500 patriotes, et que toute la GPS nationale est en train de dérouler partout dans les communes où nous arriverons. Ça doit être le travail du président du parti. Et nous

qu'il n'y a personne pour les remplacer, pour les ramasser, à quoi aurait-il servi de, remuer le cocotier Et ce qui nous permet, après le passage du président, de ramasser ces cocotiers les plus d'une autour, c'est l'objet des opérations des 500 000 patrons. Et c'est ce que fait la GPS nationale au niveau de tous les départements, au niveau de toutes les communes, en sillonnant, en inscrivant des primo-votants. Et nous croyons

seen al seen temps du seen coono pour que seen projet bi son aboutissement incha allah rabi en 2024 kon dañuy sargalaat patriote yëpp ñi fi teew ñu ñuy suivre ñi nga xamante ne bëggoon na ñëw mënuñoo ñëw ak ñi nga xamante ne ëllëg ñooy dalal ñeneen feneen nekk dans la même dynamique de mobilisation des forces citoyennes ceux-là qui ne s'intéressent pas à ce qui les regarde et que nous devons dire regardez parce que votre avenir est celle de vos enfants autour de ce côté-là que vous regardez pas, à savoir du côté du champ politique et du choix des dirigeants qui ont en main la décision de notre pays, la décision des générations futures. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, notre très cher Master Faye. S'il vous plaît. Parce que franchement il fait partie des hommes dans le parti Ah, le donc exemple de référence vraiment merci d'être venu donc à présent nous allons passer à la parole.